Nous avons xalé département stratégique mais un département super compliqué et je pense que si la joxul moyens yi ngay euh, le ministère de la jeunesse sans l'emploi man dama tête vide la dañ la jox et je plaide cela pour ñu délo l'emploi, emploi sa yow parce que qui parle de jeunesse tay problème bi ñu am le président Macky Sall problème bi par rapport à l'emploi de la jeunesse donc nous délo ci si emploi si sa si ministère dina la dina la et je ne saurais terminer madame le ministre sans pour autant nuyu ñaar ñu nekk ci sa cabinet donc beaucoup lim bu bari moo mais je tenais à formuler des salutations et des félicitations à l'endroit de notre sœur Koura Diouf Pape Malik Kodak et euh, Tamsir Fay aussi mais madame la ministre avant de quitter le présidium j'aimerais juste que nous nous focus sur mot la citoyenneté la citoyenneté ne doit pas être en vain mots époque bi ñu tollu c'est vrai que c'est un ensemble de devoirs, de droits. mais aussi bëggoon naa ñu privilégier devoir yi nekk ci citoyenneté Si ba nga xamante que yow mooy sa base mooy nekk sa socle bi nga ngay pour mener à bien cette mission en tout cas madame la ministre je ma tu as mon soutien vous avez mon soutien dois-je dire même parce que avons beaucoup de générations, beaucoup de générations, ministre de la république vous avez mon soutien mais bul nangu mukk ku la takkal ëyeer ministre de la ministre des jeunes de la paire ministre de la république sénégalaise nga ministre de toute la jeunesse sénégalaise jigéen nga yaay nga xam nga nu ñuy nasee xam nga nu ñuy ñawé. gën la bolé ndaw ñi képp ku war yëg na yëg képp ku na féké. Ko si wo nak wuy jiwul sama genre gu xawa doy war gi nga xam ni wo nga ko l'essentiel est que yow bu ñuy wax bu la kenn clash nañu japp ni def nga ses devoir dans les départements bo fay dugg associé ña fa nekk dans les départements je pense que le travail est facile Amna say conseils départementaux donc, nous essayons porte d'entrée dans les départements par rapport à la jeunesse et surtout revenir sur le point des renouvellements. Je vous l'avais émis la fois passée. Nous avons parce que lui entaché sa carrière wala lui entaché sa magistère donc renouvellement il faut y tenir ils sont en fin de mandat du 6 mois de décembre donc j'aimerais vous exhorter à ce que organisions organiser renouvellement pour pour problème de jeunesse qui ñu